bienvenue pour ce nouveau numéro de votre capsule le mercato sur 13 TV Mokyi yi dal leen ak mercato sur 13 TV US Concarneau d'année enregistré avant renfort boubès Moudi Lamine attaquant sénégalais ou 25 ans officialisation opération Bobu. def nañ ko niki jeudi bi weesu Légui, ancien joueur bu Gazélec Ajaccio bi di di Lamine Ndaw rejoindre na club national ci troisième division bi fatali Lamine Ndaw ñu ngi ko formé Valenciennes ci carrière am dem ci club yi di US Wasland Beveren ca Belgique ak Gazélec Ajaccio opération remontée bi nga xam ne Stoke City bëgg na ko ngir delluwaat ca Premier League mu nga ca tànk ya Potters yi jot nañoo xamle ne ba noppi recruter nañu ñetti joueur mu di arrière gauche bi di Morgan Fox attaquant écossais bi di Steven Fletcher mi nga xam ne dañoo arrivé libre ndax seen contrat dafa jeexoon te Sheffield Wednesday ak James Chester mi nga xam ne dañ ko récupérer ca Aston Villa léegi nag ñoo ngay waaj ak accueillir beneen ancien joueur bu Chelsea mu di John Obi Mikel militaire nigérian bi dafa daggoon sport ndax ba mu blanqué du football ci jamonoy Covid 19 bi di law ci aduna bi buñ sukkandikoo ci sunuy xibaar jaaree ko ci Telegraph mom John Obi Mikel ñu ngi koy xaar mu signé ab contrat bu benn saison ak stock City international béninois bi di Jadel Dossou mom niki tay ci suba signé ab contrat Clermont Foot 63 ngir ñetti saison mo am 28 ans attaquant excentré droite bi nga xamni ni bëri na it fu mëna football ci milieu terrain bi mu ngi débuté carrière am ci club béninois yi di les requins de de l'Atlantique de Cotonou ak Tonnerre d'Abomey laata moo sol couleuru club africain bu Tunis Salzbourg ñoo repéré woon Dossou laata muy dem ca Autriche jaaree fa it demoon ca Liechtenstein ci jamono ji nga xam ne Racing Club de lance ñu ngi koy convoité moom Sékou Fofana nga xam ne milieu de terrain ivoirien la bu nekk ca Udinese prime nag fixé nañu ko club transalpin bi nee na 20 millions d'euros la ci xaar ngir jour bu 25 ans bi. Si ce n'est pas encore officiel, Kike Sétienne n'occupera plus le banc du Barça, qui pour le remplacer, selon le quotidien catalan Sport, Pochettino, l'ancien entraîneur de Tottenham, serait en pôle. C'est le problème, ancien joueur de l'Espagnol, il avait juré qu'il n'entraînerait jamais le Barça, mais l'Espagnol est descendu en deuxième division, ce qui pourrait faire pencher la balance. En fin de contrat dans un an et en conflit avec la direction, Lionel Messi aurait pour projet de rejoindre David Beckham à l'Inter Miami, selon notre drôle de dame en Espagne, Fred Hermel, qui s'y une source très fiable, le sextuple Ballon d'Or aurait un projet rejoindre David Beckham à l'Inter Miami, là où vient d'ailleurs de s'engager Blaise Matuidi en quittant la Juve, un projet initialement dans la tête du joueur pour dans un an, mais la crise du club Blaugrana pourrait peser dans la balance. Million offensif de 20 ans, Miguel Baeza Perez a été transféré au Celta de Vigo, auteur de 26 matchs de Segunda B avec le Real Madrid Castilla, évoluant en D3, lors desquels il a inscrit 9 buts et délivré 4 passes décisives et de 6 apparitions en Youth League avec les U19 du Real Madrid la saison dernière. Le gaucher d'un mètre 77 originaire de Cordoue a signé pour 5 saisons en faveur du club galicien. Plus que jamais, l'avenir de Zadon Sancho, 20 ans à Dortmund, se trouve sur toutes les lèvres. Courtisé par Manchester United, le prodige anglais devrait cependant rester en Allemagne une saison de plus. Le directeur général du BFB, Hans Joachim Watzke, a confirmé hier de façon formelle que Sancho sera avec les marsupiaux la saison prochaine. L'information provient de Sky Sport. Bournemouth aurait accepté à contre une offre de 18,5 millions de livres, soit 20,5 millions d'euros de Sheffield United pour son gardien de but Aaron Ramsdale. International espoir anglais de 22 ans, Ramsdale avait rejoint Bournemouth depuis Sheffield United en janvier 2017 dans le cadre d'un accord d'une valeur d'environ 1 million d'euros. Sheffield United disposait d'une plus-value de 15% en cas de revente de Ramsdale qui ne sera plus en vigueur puisqu'il retourne chez les Blades. Privé de playoff lors de l'ultime journée de Championship, Nottingham Forest vient d'annoncer la signature du défenseur Tyler Blackett. Le joueur de 26 ans rejoint Sabri Lamouchi et a signé un contrat à durée indéterminée. Blackett a commencé sa carrière à l'Académie Manchester United faisant 12 apparitions en équipe première pour les Red Devils et a acquis de l'expérience en prêt à Blackpool, Birmingham et au Celtic. Titulaire indiscutable avec l'Atalanta à Bergame, le latéral gauche Robin Gossens a réalisé une magnifique saison. Aujourd'hui, son nom alimente la rubrique Mercato. Selon Sky Germany, deux clubs allemands se seraient positionnés. Il s'agit du Borussia Mönchengladbach et du Leipzig. Également dans le viseur de l'Inter Milan, il disposerait d'un bon de sortie. Un prix de départ de 25 millions d'euros aurait été fixé. En Angleterre, Chelsea se serait également renseigné. Un nouveau jackpot se profile pour le LOSC. En effet, Gabriel va lui aussi ramener un joli chèque dans les caisses de dog un départ certain comme l'a affirmé Gérard Lopez samedi pour la BBC. De nombreux clubs sont sur le coup, mais Naples serait en avance sur ses concurrents. Un an après son retour au Brésil, le défenseur brésilien Rafinha est de retour en Europe. En effet, le latéral de 34 ans a accepté de quitter Flamengo où il a réalisé le doublé championnat Copa Libertadores pour relever le défi proposé par l'Olympiakos. L'ancien joueur de Schalke 04 et du Bayern Munich international au a signé un contrat portant sur deux saisons ñu jeexalee ak bonus sport Bayern Munich la pour FC Barcelone niki vendredi bi 8-2 ngir mën a qualifier ci demi-finale Ligue des champions confirmé it favori bu mag la victoire finale bi niki ren ji bavarois yi daañu daje gagné Lyon ak Manchester City ci prochain tour bi Juventus bu Ronaldo mi nga Lyon moo éliminé semaine bi weesu ci huitième de finale yi FC Barcelone bu Lionel Messi moo daal di wan ginnaaw compétition lii nag di ab xew-xew bu nekkuleet buñ sukkandikoo ci opta ndax bi que bu saison 2005 2006 kenn ci ñaari ndaanaan yi di Ronaldo ak Messi du la ci demi-finale Ligue des Champions yi ci lu kenn Jürgen Klopp di entraîneur bu Liverpool mom lañu été manager bi la première xarañ ci Premier League ngir saison 2019 2020 technicien allemand bi mo fa Pep Guardiola mi nga xamné mo won titre bi niki saison bi wessu ak Manchester City Mesdames, Messieurs, c'était tout pour ce Mercato sur 13 TV. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro.